de la cathédrale de Dakar Nous, chrétien si on parle de de l'église ou des chrétiens fête parce que comme nous dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité 20 serait notre foi donc fête fait fête solo trop trop trop chrétiens Yeesu Kirista dafa dee ndax suñuy baakaar tey jii nii mu dee ndax suñuy baakaar ressuscité kon kooku noonu tey jii fête bi warul nekk lu ndaw waaw moo tax ñu naan alléluia quoi. laataa ngay dugg ci biir dañu lay exiger nga sol sa masque. fii moom église moom depuis Covid mu dugg see ba léegi à chaque fois dañuy dañuy dañuy imposer gars yi pour ñuy sol masque gel bi tamit dañ leen koy jox parce que boo xoolee gis nga man scout la ñëpp dañ leen dañ leen di may gel balaa ñuy dugg si kii bi ci bi. bonne fête